avec Sense from Heaven. On poursuit avec euh, Tony Braxton, Spanish Guitar, et on va souhaiter un bon réveil, surtout un bon début de semaine à Xavier Coeur, déjà connecté. J'oublie pas de saluer, de faire un gros, gros, gros bisou à, ma rivale adorée, elle s'appelle Kiné Colibali. On n'oublie pas et Madame Mbake, autant pour moi, on n'oublie pas de saluer aussi Monsieur Mbake, Mbakisto Junior. Ah, Mbakisto Junior, là, à côté Allez, on poursuit avec Tony Braxton, on a lancé tout de suite ses Spanish Guitar. Bon réveil! Slimane avec euh, à fleur de toi une reprise de Vita et Jamal annoncé hein. euh, c'était le gagnant de la cinquième édition de The Voice et c'est avec cette chanson qu'il avait gagné euh, The Voice France il est 7h32 minutes c'est l'heure de passer à l'horoscope du jour l'horoscope du jour pour cet horoscope, euh, on commence avec les béliers comme de tradition. Vénus bien aspectée exercera une influence bénéfique sur la vie à deux. Alors pour certains natifs, les difficultés conjugales disparaîtront comme par enchantement. Les tentations extérieures au couple, elles s'apaiseront de façon significative. Si vous êtes célibataire, cette journée sera l'une des meilleures de l'année pour une rencontre promise à un bel avenir. Et si quelqu'un vous fait euh, battre le cœur, ne jouez pas les timides. Expliquez-vous clairement parce que ce sera vraiment trop dommage de rater une si belle aubaine. On poursuit avec euh, les taureaux. Pour les célibataires, vous ne serez plus sur le qui-vive. Les aspects lignifiants d'Uranus vous inspireront un vif besoin de stabilité sentimentale et vous aideront tout simplement à réaliser vos désirs amoureux. Les choix ou bien le choix se fera de lui-même et vous serez attiré par une personne tendre et aimante, mais peut-être très éprouvée par une récente rupture. Si vous vivez en couple, votre conjoint sera entièrement aux petits soins pour vous. Vous trouverez peut-être même qu'il en fait trop mais il est si tendre avec vous que vous ne pourrez pas vous plaindre. poursuit avec les Gémeaux. La planète Uranus sera favorable à la vie amoureuse des célibataires. Sous son influence aujourd'hui, les natifs du signe se montreront particulièrement ouverts et disponibles. Ils seront plus humains qu'à l'habitude et plus désireux de vivre une relation vraiment motivante. Et c'est ce point que de nombreux couples ne manqueront pas de se former aujourd'hui. Pour ceux qui sont mariés, le climat sera au beau fixe et l'attention se portera surtout sur les enfants qui seront l'objet de beaucoup de sollicitudes. les cancers, le soleil influençant le secteur de la vie à deux devrait vous valoir des moments faciles et agréables. Vos relations avec votre conjoint ou votre partenaire seront harmonieuses et chacun épaulera solidement l'autre. Si des malentendus ou des frictions surviennent, ils seront vite réglés sans laisser de traces. Pour les célibataires, par contre, cette journée donnera le top départ à une phase très faste pour vos amours. Vous pouvez vous attendre à une rencontre placée sous d'excellentes opices. Et si vous aspirez au mariage, eh ben, vos vœux pourraient être rapidement exaucés. ciel conjugal contrasté. D'un côté, Vénus bien aspectée va vous valoir des moments bien agréables. Mais de l'autre, cette position de Neptune sera apte à semer une certaine confusion dans votre vie de couple. Vous serez plus exigeant et vous n'aurez plus envie de faire des concessions avec votre conjoint. Pour les célibataires, les aspects bénéfiques de Vénus devraient vous valoir des relations amoureuses tout à fait privilégiées. Vous aurez même des tas de projets sympathiques, encore un peu confus peut-être, mais vous les mènerez à bien. Si vous êtes euh, balance, l'environnement astral pourrait agir négativement sur le plan conjugal. Et euh, ça rendra ainsi les natifs vivant en couple soupçonnés et possessifs dans leur rapport avec leur conjoint ou leur partenaire. En cédant à ces impulsions, ils risquent évidemment d'endommager plus ou moins leur union. Quant aux célibataires, il leur sera difficile de découvrir l'âme sœur malgré leurs efforts de recherche. Méfiez-vous de vos emballements amoureux qui pourraient vous pousser à des dépenses excessives. 7h36 minutes, on poursuit avec les scorpions. On commence avec les célibataires. Le climat amoureux sera à la fois explosif et tendre et sous l'effet des influences de la planète Uranus, vous ferez tout hors du commun, un vrai feu d'artifice. Vous aimerez avec fougue et passion et vous perdrez la raison ainsi que le cœur. Rien ne va plus dans votre vie conjugale. Tout semble, tout semble aller de travers. Vous penserez même à claquer la porte, mais ne commettez pas l'erreur de prendre une décision si importante, ou si importante plutôt, sur un coup de tête. Calmez-vous d'abord. Sagittaire, l'impact du soleil s'avérera d'autant plus positif pour vos amours qu'il formera plusieurs configurations harmonieuses avec d'autres planètes. La vie à deux sera donc agréable et votre conjoint vous apportant tendresse et soutien. Célibataire, vous ne pourrez absolument plus vous passer d'une présence. Vous envisagerez presque de vous marier sans amour. Réjouissez-vous à la faveur du bel aspect de Vénus qui vous devra faire des rencontres décisives ce jour. Ensemble, vous échafauderez des plans ou des projets d'avenir dans un temps record. Tous mes voeux vous suivront et ce sera que des voeux de bonheur et d'amour. Capricorne, à présent, cet impact planétaire peut exacerber votre vie de liberté ou celle de votre conjoint. Attention à ne pas mettre votre couple en danger. Mesurez ce que vous faites et si vous savez profiter ou prouver votre fidélité à l'autre, vous serez récompensé et ceci bien au-delà de vos espérances. Pour les célibataires, la journée sera plutôt faste pour l'amour. L'accent étant mis de côté sur le léger, vous serez enjoué plutôt que sur le côté passionnel que dans les affaires de cœur. Voilà, j'y arrive. Et pas de coup de foudre en vue, mais sans doute un agréable mari vaudage comme vous l'aimez. Verso, il est probable qu'une nouvelle phase de votre vie conjugale aille se nouer car vous deviendrez subtilement plus mesuré qu'à l'habitude dans vos réactions affectives. Vos relations avec votre conjoint s'en trouvera ou s'en trouveront considérablement améliorées. Pour les célibataires, votre horizon semble plein de promesses. Ce sera une journée favorable à l'amour, aux fiançailles, au mariage et à tout ce qui est projets sentimentaux. Tout cela est, une, est merveilleux et vous serez impardonnable si vous y partez étourderie ou par négligence, vous n'en profitez pas au maximum. On termine cet horoscope du jour avec les poissons. Vous vous réjouirez de nombreuses aventures que vous pourrez collectionner à votre gré et ceci pour peu, bien entendu, que vous avez déjà décidé d'y céder. L'astre Neptune mettra les meilleures chances de votre côté et si vous rêvez encore à l'âme sœur, c'est au cours de cette journée qu'il vous faudra saisir l'opportunité. Avec cet amas de planètes influençant le secteur couple, on n'aura aucun mal à imaginer que votre vie conjugale risque de s'emballer cette fois. Mariage pour les uns, malheureusement rupture pour les autres, choix cornélien à faire en tout cas tout sera possible. Voilà pour ce qui était de l'horoscope euh, du jour. En espérant que vous êtes au courant de tout, que vous avez bien suivi ce que les astres vous prédisent et que vous ferez attention pour ceux qui sont en danger dans leur vie de couple, et eh ben que vous choisirez les bonnes décisions pour ceux qui sont encore célibataires et qui devraient trouver l'amour. 7h44 minutes on poursuit en musique et on avait promis à Agathe Fay et eh ben, la chanson de la regrettée Alia Dana Upton, More Than a Woman, pour souhaiter une fois de plus et eh ben, une bonne fête des mères à toutes les mamans, même à celles qui ne le méritent pas. <laughs> Oui, c'est laquelle qu'il ne mérite pas. Alia, tout de suite, Modern Woman. 3 minutes, Modern Woman, Alia Dana Optana. Hein, c'était à la demande de Agathe Faye. On te souhaite encore une fois de plus une bonne fête des mères et on te fait un gros, gros, gros bisou. Diba Babacar qui me fait gros bisous à ma femme, Sally Côté ou Côte, j'imagine. Hein. Tu me manques énormément, ma chérie. Ça, c'est le message de Diba Babacar. Ça fait plaisir hein, de voir des hommes qui assurent instant, euh, leur, amour envers leur femme ou envers tout simplement leur compagne ça c'est mon ami de tous les jours. Hello à toi, ça me fait plaisir de te lire. Combat Maron est avec nous aussi qui dit Bonne fête des mères, Lisa, je veux l'amour d'une mère de patience. Dabani, on te met ça tout de suite. On va souhaiter aussi une bonne écoute à Clément Nicolas Ciao qui nous écoute du côté de l'Hexagone. On t'envoie plein de bisous. Patience Dabani s'installe et après ça, on vient avec la santé avec Bintou. Votre rubrique santé du jour en ramadan santé ramadan, jeûne complet ou jeûne partiel bien que l'on utilise librement le terme jeûne pour englober plusieurs types de cures et de jeûnes. Il importe de faire une distinction entre le jeûne complet et les cures. Au cours d'un véritable jeûne, seule l'eau est permise et on recommande le repos complet. La cure, par contre, c'est un jeûne partiel qui est plutôt basé sur diverses diètes restreintes comprenant des jus de fruits, des légumes ou d'herbes de blé. Et parfois, certains autres nutriments, à savoir les céréales, pousses, infusions, bouillons, suppléments alimentaires, etc par contre, les cures qui se veulent souvent thérapeutiques peuvent être adaptées aux besoins particuliers des jeunes qui varient selon l'approche des intervenants. Elles conviennent aux personnes qui ont des besoins particuliers, qui ne peuvent en raison de leur santé vivre un jeûne complet ou qui souhaitent s'initier au jeûne par une, par une approche plus douce. Merci et à demain pour les bienfaits du jeûne. Merci beaucoup à Bintou Lover. Elle nous parlait du jeûne. Ouais, mois de ramadan oblige. C'était votre rubrique santé. On reviendra tout à l'heure à 8h avec une autre rubrique. On n'en est pas encore là. Il est que 7h49 minutes. On poursuit euh, en musique avec Corneille comme un fils. Je vais encore une fois de plus à hein, souhaiter une bonne fête des mères à toutes ces mamans. Alors, je vais commencer par mes mamans à moi du côté de Norfort à la Cité, r Sénégal. Bah, bonne fête des mères à maman Abiba Tunjai, à maman Assi, madame Faye. On n'oublie pas de souhaiter aussi une bonne fête des mères à maman Ata, maman Cathy, maman Binette, toutes du côté de la Cité Air Sénégal à Norfoire. Bonne fête des mères à Elisabeth Felio, à Georgette Chavez, à Yvette Coeur, Chavez. On n'oublie pas aussi de souhaiter une bonne fête des mères à Eva Soleil. Bonne fête des mères à toutes et à tous. Cherna Layez est avec nous. On vous met tout de suite Corneille comme un fils gal juróom ñetti simili fii ci studio King FM dañuy wéyande ak yéen rek ci seen émission matinale ñu ngi déglu di eh, Madonna la Isla Bonita di souhaité waat rek li bonne fête des mères qui dit Adama Sangare du ma souhaitez souhaité bonne fête itam qui di eh, Mama Kumba gay moom sama sama rakk ju baax. Voulimata Raguin on te souhaite à toi aussi une bonne fête des mères ñu des ba léegi ak yéen ah, ci musique ñu euh, dalal dañuy changer carrément tempo Ventura ak Obsession. Bon, écoute à ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes sur la matinale de la King FM, la matinale des dents volare avec les Gypsy King. Et ouais, hein, on en a pour tous les goûts dans la matinale. On va souhaiter une excellente écoute à Abungom. Euh, bonjour à Sam King. On n'oublie pas de souhaiter une excellente écoute aussi un bon réveil à Ahmed Dem. Bonjour Waking FM. Juste pour vous dire bonne journée, c'est gentil ça. Serine Bakegay est avec nous. Euh, Moussa Sen Bambiste aussi qui fait bonjour, hello à toi. On est le 27. depuis tout à l'heure, je suis en train de dire le 28. On est le 27, Dauda, c'est ça Le 27 ou le 28 28 donc on est bien le 28. Celui qui m'a envoyé le message pour me dire qu'on était le 27, t'as tort. On est le 28. En tout cas, on est lundi. C'est la première incursion de la semaine. On sait que les lundis sont très, très, très difficiles. Et si vous êtes comme moi, si les lundis déterminent votre semaine, eh ben, vous avez intérêt à écouter King FM hein, pour être de pêche et d'aplomb. On passe à une autre rubrique, le métier du jour qui nous est proposé par Joyce. Et ce matin, elle nous parle du chargé de production. On écoute tout de suite Joyce. King FM, le métier du jour. Le chargé de production intervient dans le domaine artistique pour gérer, organiser et prévoir les besoins logistiques, financiers et humains nécessaires à la réalisation d'un projet audiovisuel. Sous la hiérarchie du producteur, ce professionnel sert d'interface entre les différents collaborateurs qui participent à la production. L'adaptation est la qualité essentielle pour exercer le métier de chargé de production. À la fois au four et au moulin, ce professionnel de l'audiovisuel est la clé de voûte d'un tournage. Tout passe par lui. Il doit être disponible, réactif, dynamique pour répondre à toutes les sollicitations et gérer une production. Le chargé de production doit faire preuve d'une extrême rigueur et d'un sens aiguisé de l'organisation sous peine d'être très vite débordé par le poids des responsabilités. Il n'y a pas d'horaire pour pratiquer ce métier. Week-ends et jours fériés ne comptent pas dans ce milieu. Un bon équilibre personnel et familial en plus d'une bonne dose de sang-froid est donc primordial pour tenir le coup. Curieux et touche à tout, le chargé de production sait aussi bien dialoguer avec des techniciens qu'avec des responsables de sociétés de distribution. Ces compétences doivent être très étendues, de la connaissance de la réglementation au choix du bon mode d'éclairage. Formation, mission, rémunération et profession. Devenez chargé de production. Merci beaucoup, Joyce, pour toutes ces explications par rapport au chargé de production. Le chargé de production, qui, je vous le rappelle, hein, intervient dans le domaine artistique pour gérer, organiser et prévoir les besoins logistiques, financiers et humains nécessaires à la réalisation d'un projet audiovisuel. Allez, on retrouvera Joyce tout à l'heure qui va nous parler du portrait, qui va nous faire le portrait du jour et qui nous parlera du Shedar Men ou l'homme de Shedar. 8h19 minutes. Allez, on trace toujours avec de la musique. Qu'est-ce qu'il nous propose, euh, tonton Daoda Il est 8h30 minutes. Allez, on poursuit avec votre rubrique Droits et devoirs avec Bintou. Droits et devoirs. le droit, nous allons voir la jouissance de ces droits qui entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'à l'égard de la communauté humaine et des générations futures. Les devoirs du citoyen peuvent être considérés comme la conséquence du fait que les droits des citoyens sont identiques pour tous. Les principes d'égalité et de réciprocité sont définis dans l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Chacun doit donc respecter les droits des autres. Les devoirs du citoyen sont d'abord de nature juridique et donc inscrits dans la loi. Ils permettent à la société de fonctionner de manière organisée et harmonieuse dans le respect de chacun. Les devoirs juridiques sont des obligations avec parfois une connotation morale, mais d'autres devoirs sont une dimension purement morale qui fait appel à un pays laïque, au civisme, à la civilité, afin de rendre supportable la vie en société.

Merci beaucoup à Bintou Lover qui nous parlait des droits et devoirs. Elle nous a parlé de la jouissance de ces droits qui entraînent des responsabilités et des devoirs. Ceci tant à l'égard d'autrui qu'à l'égard de la communauté humaine et des générations à futur. Alors retenez juste hein, que euh, ainsi le respect par chacun de ces droits garantit tout simplement la liberté et les droits ainsi que la sécurité de tous. Merci pour toutes ces informations. Bintou, on te retrouve hein, d'ici la fin de l'émission pour nous parler de la rubrique découverte Aujourd'hui, tu as choisi le ronflement et l'apnée du sommeil. Très important, vu que tout un chacun a fait un petit apnée du sommeil pendant la nuit, euh, même si chez certains, c'est un peu plus développé et risque de mortalité peut s'en suivre. On n'en est pas encore là, de toute façon. Allez, 8h32 minutes, on va passer à King Actu. Moi, je vais vous parler de musique avec All Right de Jane qui fait un retour à un hymne positif et estival. Alors, euh, elle est de retour avec un hymne positif chanteuse, et euh, avec un titre tropical plein d'espoir aux allures de tube d'été. Things Gonna Be Alright If Love Is Around est un message d'espoir que Jen signe son retour à travers ce single, et ceci deux ans et demi après l'album Zanaka avec 300 350 000 plutôt ventes avec des tubes comme Comme ou euh, Makeba. La jeune chanteuse amance l'arrivée de son second opus, toujours entourée de son mentor qui, comme vous le savez, est Maxime Nucci. Alors celle qui a décroché deux victoires de la musique et une nomination aux Grammy Awards dévoile un single estival taillé pour tourner en boucle sur les zones, ceci tout l'été. Mais si l'atmosphère se veut tropicale, le texte n'est pas si simpliste selon l'artiste. Elle dit, je cite, j'ai écrit All Right Come un hymne à l'indépendance. Cette chanson se construit sur une dualité comme les histoires d'amour à la fois douce et féroce et elle met en avant la détermination face à la désolation. Ça parle de l'amour au sens large, celui qui nous réserve et nous pousse à avancer. Ceci, elle l'a dit, c'était dans un communiqué. En tout cas, moi, je vous dis, hein, préparez-vous donc à danser sur All White, à scander euh, Tonight We're Gonna Give Up, notamment sur les prochains concerts qu'elle donne. Euh, elle donne un rendez-vous à ses fans sur Warm Up Tower, une tournée estivale désormais, c'est le jour J pour Jane qui fait son comeback. Allez, 8h34 minutes, on poursuit hein, avec l'actualité cinéma. Je vous en parlais tout à l'heure avec le film Demi-sœur alors, sept ans après, mon père est une femme de ménage de François Cluzet. Aujourd'hui, Safia Azedine est de retour avec son second long métrage Demi-sœur. C'est une romancière qui, euh, à qui l'on doit, je ne sais pas si vous avez vu ou si vous avez convenu, Confidence à Allah ou sinon plus récemment euh, Ma mère, n'est pas seule derrière la caméra cette fois-ci puisqu'elle filme ou elle co-réalise avec François Régis Jeanne. Lui, c'est un documentariste qui est retracé dans un de ses films Fucking euh, Kazavitch, les coulisses chaotiques de Babylone. Alors, Demi-sœur est un film qui parle de trois jeunes femmes proches de la trentaine que tout en apparence sépare, en tout cas. L'une ou bien la première, on l'appellera, elle s'appelle Lorraine, elle tente de se faire une place dans le milieu de la mode. La seconde, elle, Olivia, cherche le mari idéal tout en essayant de sauver le commerce de ses parents. Et enfin, on a Salma, une professeure d'histoire en banlieue, et les trois filles ne se connaissaient pas. Elles sont amenées à se rencontrer lorsque leur père biologique, qu'elles n'ont jamais connu d'ailleurs, décède. Alors ensemble, elles héritent d'un superbe appartement parisien, mais la cohabitation s'annonce compliquée pour ces demi-sœurs au fort tempérament. Retenez Hein, que ce trio incarné par Sabrina euh, Ouzani, actuellement à l'affiche de Taxi 5, si vous savez de qui je parle, il y a aussi Alice David et Charlotte Gabri. Ces dernières se sont d'ailleurs déjà croisées sur des plateaux comme Babysitting et sa suite. Rendez-vous en salle le 30 mai prochain et surtout à consommer sans modération le film Demi-sœur à ah, regarder en sœur, hein, avec des sœurs si possible. C'était votre rubrique euh, King Actu. À 8h36 minutes, euh, Daoda, la musique, on peut poursuivre. Merci. Je crois qu'on va accueillir Kofi Olomide et Yosundur Festival. to a bowl. ebwaka miso ndenge mandalala ezokata na nsima na yo ekozala feti te mbala suka bwaka miso ndenge mandalala ezokata na nsima ya yo ekozala liwa na yo

solo ya futa eboli nakoma kokodisa ngomula jusqu'en bourg nakokoka kotambola mamonanga na nzela sangi

tu seras jamais déçu. La naturelle dessus, on boit de l'eau sans clore On visite la faune et découvre la flore. Sac à dos bizarre, Bamako on approche. La famille se rapproche, mais la main à la poche. Faut pas tomber dans le trou, gris gris autour du cou. Le palu sans méthode, seul doc c'est le marabout. Continent plus grand que les magasins continent. Sans écran, viens voir la terre des immigrants. En route pour Dakar, la mer te fout des claques. Sans ton numérique, c'est clac, clac, clac, Kodak. Aussi, on leur dit qu'on mène la grande vie. Ça n'en vient pas si cher, un petit tour en taxi ça parle pas en Wolof, négoce dans les boutiques. Crème anti-moustique, un thé, une bonne zik. Yeah. Africa. si tout va mieux. Le soleil brûlant, on parle, on danse un peu. On se brouille et tu roules dans les concerts de Klaxon. Minibus, fashion, c'est Guinée Connection. On s'avance encore les mains, en bouffe à Douala. Ambiance cotonou par-ci, bandit par-là. Média qui Kigali aux victimes de la haine. Nommé j'y vais en jean, sans cuir, sans gêne. T'avances et se dit de la France, elle te fatigue. Direction Libreville ou Brazzaville. Les horaires, c'est l'horreur, à Paris, pas pareil donc on assiette, parlons de ce qui va bien Regarde le temps qui fait, s'emmerder y a pas moyen Vraiment pas besoin de te faire de soucis Profiter de la vie, voilà un tour de magie je me suis fait mon opinion. Tu peux pas me louper, je dans ma chaloupe, je par mon toupet, décalé, coupé, plonge dans le bassin, on n'oublie pas le passé, il faut pas être pressé, c'est ça parler en français, quoi de neuf coup, on tient encore le coup, du côté de chez nous, c'est les vacances de fou, de fou. l'instant, Viviane en featuring avec euh, Mokobe euh, à 8h46 minutes. C'était Safari. Il est temps de passer à votre rubrique portrait. On est avec Joyce qui nous parle du Sheda Men. L'ancêtre des Britanniques avait-il la peau noire Les réponses, c'est tout de suite avec Joyce. 1, 2, 3, portrait. L'homme de Cheddar, en anglais Cheddar est un homme ayant vécu en Grande-Bretagne il y a environ 10 000 ans. Son squelette presque complet a été découvert en 1903 dans la grotte de Gour, dans le Somerset, en Angleterre. Il est conservé au musée d'histoire naturelle de Londres. L'homme était un chasseur-cueilleur du Mésolithique qui mesurait environ 1,66 mètres. Il avait entre 20 et 30 ans à sa mort, dû sans doute à une cause violente. Une étude de ses gènes aurait montré qu'il devait avoir la noire et les yeux. La population à la peau claire maîtrisant l'agriculture serait arrivé en Grande-Bretagne plus tardivement au néolithique. Les conclusions de cette étude, selon leur propre auteur, s'avéreraient toutefois incertaines et les généticiens seraient encore loin d'être capables de déterminer la couleur de peau des hommes préhistoriques. Toutefois, le professeur Chris Stringer, responsable de la recherche sur les origines humaines du Natural History Museum de Londres, a déclaré « J'ai étudié le squelette de Cheddarman pendant environ 40 ans. Alors, c'est un choc d'avoir en face de moi une reconstruction de à quoi ce gars pouvait ressembler. Avec en plus cette combinaison inattendue des cheveux, du visage, de la couleur des yeux et de la peau sombre. Il y a quelques années, nous n'aurions pas pu imaginer cela. Et pourtant, c'est ce que montrent sans équivoque les données scientifiques. Et eh oui, l'ancêtre des Britanniques avait la peau noire. Merci beaucoup Joyce, euh, merci surtout d'avoir répondu à la question. Donc l'ancêtre des Britanniques avait euh, euh, effectivement la peau noire, les yeux bleus. C'était l'homme de Cheddar, hein, plus connu sous le nom de Shellarman, puisque son squelette a été découvert en 1903 dans la grotte de Goff, dans le Somerset, c'est en Angleterre. Et présentement, il est conservé au musée d'histoire naturelle de Londres. C'était un chasseur, un cueilleur euh, du euh, mésolithique. Ça doit être euh, le paléolithique, hein, plus, plus, plus précisément, puisque après on parlera d'un autre homme avec les populations claires qui maîtrisaient l'agriculture tardivement néolithique. Allez, merci beaucoup Joyce pour toutes ces informations. On va souhaiter une excellente écoute à Bassi Roudien qui nous a rejoint. Lampe Sey est avec nous. Fatou Diouf, gros bisous à toi. On n'oublie pas de saluer et Thomas euh, Thompson Lala, autant pour moi Marianne Diaye, bonjour et bon réveil. Hassan est aussi avec nous. La musique poursuit, se poursuit sur King FM. C'est toujours la matinale, on est ensemble jusqu'à 10h. On accueille tout de suite... Euh, <laughs> Magic System qui reprend Fantagiallo de Alpha Blondie. 8h52 minutes. Allez, toujours en musique. On était avec euh, euh, Magic System, voilà, j'y arrive. Magic System qui reprenait Sweet Sweet Pontagiallo. Moi, j'ai envie de faire plaisir à ma Badjana, adorée, ma Badjana nabuja, euh, l'amour de ma vie. Oui, si je veux, hein, je dis que c'est l'amour de ma vie. Qui est ba ma nekké xalé ba légui mom la mëssa gis mom la mëssa xam. Nabouja yow rek ya tax may instant yi ni Youssou Ndour di rak wala magi bay. Jëlal Poco se nga bu jaju gal yengu bàjjan ma may man sama badjan bu riche bi nabuja jëlal yay borom képp kuy badjan nga xam yow badjan bu riche nga te ngay badjan bu mët ñu naan badjan jëlal way bi yay borom 9h jot ci studio King FM lu ñu def rek modi jall ci ñettelu patch bi patch bi mu juf King FM 99.4 King FM il est 9h Coucou, je suis Joyce. Retrouvez-nous tous les jours, du lundi au vendredi, dans la matinale. Pimentée, épicée et déjantée. et eh oui, la matinale reprend ses droits sur KingFM 99.4 avec une nouvelle formule, un nouveau concept et surtout à l'affût de toutes les nouveautés musicales. Tous les jours, du lundi au vendredi, 7h, 10h, dans votre matinale pimentée, épicée et déjantée. Je suis Lisa, je serai en compagnie de Joyce, elle vous l'a déjà dit, ce sera tous les jours du lundi au vendredi de 7h à 10h. N'oubliez pas, le rendez-vous est pris. King FM 99.4. Bisous là-bas. Je dis quoi Bisous là-bas. Hey les gars, salut les gars, salut tout le monde. Croquis dans du bonheur, bienvenue dans King Détente menu, musique, meilleurs hits, détente, dédicace, sorties, astuces, conseils. Du lundi au vendredi, de 14h à 15h30 avec Gila.

que du plaisir à partager sur King FM du lundi au jeudi de 15h30 à 17h30. Rien que du bégay Laydon. donne Bégay. Bég 99.4 9h tegal ñaari simili yi ñu jàll ci pàcc bi mujj ci seen émission Morning King man mi Lisa fas yéene leen bunge ba 10h ñi nga xam ne 7h ba léegi ñi ngeek man ma dellu di leen gërëm di leen jaajëfal rek nuyu kii di Moringam Modou ñi ñaar nag ñooy ñi mujjee egsi ci page Facebook bi Viviane ngi egsi no stress la ñuy àndal ak moom di wax rek bu ñu kenn stressé ci suba si fajar gi dafa métti tellement soxlawuñu kuñ ci stressé tonton da ay ca No, no, bunyungangu nyunyu no, nono bunyungangu nyunyu express suñu xol di fess ñoo ñu do express nono bunyungangu When you hold it fast, when you look at us. c'est banal, c'est banal On est venu faire danser tout banal tout banal On est parti pour toute la night. Pose ma calage, je la fixe en insistant. Elle aime que je lui mette en insulte. Coupé, décalé, Afghanistan, je frappe. Respecte-moi, c'est pas une affaire de rap. J'irai pas qu'il casse si je roule en la Si t'as pas de ta Wallouna, t'as quitté là-bas. Il faudra tout avaler, ça va aller. Piraterie ne s'arrêtera jamais. Dans la tête, la meilleure est partie mais la plus efficace Paris je t'aime, la fin est partie quand même J'suis pas ma dédicace Pas dans la tête, pas la meilleure est partie Mais la plus efficace Paris je t'aime, la fin est partie quand même J'suis pas ma dédicace On est là pour faire danser tout banal Tout banal Y'a des femmes du champagne ici c'est banal C'est banal Pas dans la tête pas la meilleure est partie Mais la plus efficace Paris je t'aime, Slatan est parti quand même J'ai pas eu ma dédicace Pas dans la tête pas la meilleure est partie Mais la plus efficace Paris je t'aime, Slatan est parti quand même J'ai pas eu ma dédicace On est là pour faire danser tout banal Tout banal Y'a des femmes du champagne ici c'est banal C'est banal Hace tu À 9h09 minutes, hein, on entame la dernière partie de votre émission de Morning King. Je suis Lisa. On sera ensemble hein, jusqu'à 10h. Bon, écoute à Borom Daradi, Big Tiaou. Binet Goudjabi, mon ami de tous les jours, Khalid Sama, je te fais un gros bisou. Euh, donne-moi, donne-moi

À l'instant, <laughs> Jennifer Lopez avec Amin to You. Il est 9h17 minutes. On passe à la dernière rubrique du jour, présentée par euh, Bintou, qui nous parle de la rubrique, dans la rubrique découverte du renflement ou apnée du sommeil. C'est parti. Votre rubrique découverte nouvelle découverte. Quand vous dormez, vos muscles se relâchent. Ce relâchement musculaire entraîne le recul de la langue, l'espace au niveau des voies respiratoires, c'est-à-dire qui permettent le passage de l'air aux poumons et cela diminue. Déjà utilisé par plus de 70 000 personnes en France, Oniris est une orthèse d'avancée mandibulaire contre le ronflement et l'apnée du sommeil. C'est un petit appareil un peu comme un protège-dents de sportif ou une gouttière dentaire qui permet de lutter contre le ronflement et apnée du sommeil. Depuis plusieurs décennies, les études cliniques ont montré que les ortères d'avancée mandibulaire sont efficaces contre le ronflement. Oniris, le seul dispositif anti-ronflement auto-adaptable à l'efficacité prouvée, c'est-à-dire beaucoup de produits anti-ronflement vous font des promesses, mais Oniris vous offre les résultats. L'orthèse Oniris est le seul dispositif anti-ronflement auto-adaptable, c'est-à-dire non réalisé sur mesure, dont l'efficacité a été évaluée et approuvée pour traiter le ronflement et l'apnée du sommeil, en plus des ortères auto-adaptables comme Oniris, il existe des ortères sur mesure. Elles sont réalisées à l'unité à partir de votre empreinte dentaire. Quelle nouvelle découverte Vraiment, euh, merci beaucoup Bintou. Hein, c'est une euh, découverte de ouf. Alors pour ceux qui ronflent ou qui font un apnée du sommeil, je, le rappelais hein, tout à l'heure, je l'ai dit, tout le monde dans sa vie fait un apnée du sommeil, mais c'est à des degrés moindres. Alors pour ceux qui sont euh, des fois quand quand il y a quelqu'un à côté de toi qui dort, tu sens qu'à un moment son souffle il est coupé et il n'arrive plus à respirer et d'un coup il reprend son souffle comme s'il avait fait un apnée pendant 5 à 10 secondes. Alors c'est ça l'apnée du sommeil. Et pour euh, certains, ça se manifeste par du ronflement. Et d'autres, comme moi, qui quand ils sont fatigués, mais extrêmement fatigués et très accidentellement, <laughs> ronflent pendant le sommeil. Alors cette prothèse... Euh, Enfin, moi, je dis que c'est une prothèse, mais c'est pas une prothèse, c'est une orthèse qui se met en bouche latéralement hein, et qui assure que les gouttières sont bien centrées, permettent aux personnes qui font un apnée du sommeil ou un renflement de ne plus avoir ce malaise. Merci beaucoup, Bintou. Euh, on se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités, mais retenez déjà que jeudi et vendredi, la matinale vous sera présentée par Bintou Lover. En poursuit en musique, Dauda. Carl Hilson et compagnie, c'est Knock You Down. À l'instant, hein, c'était T.I. Euh, euh Got Your Back. Au lieu de Knock You Down qu'on avait annoncé, Knock You Down qui s'installe, vu qu'on l'avait déjà annoncé avec Kerry Hilson, Kanye West, Neo et compagnie. Et eh, big up à tous les non-alignés, ils se reconnaîtront. Ça, c'était votre hymne national. Mimi Curtis, bonne écoute à toi. Ça me fait plaisir de te voir connecté. Aminata, Lady Gaga, Tutsi. Down avec Kanye West, hein, euh, Neo, Knock You Down. C'est vrai, hein? mbëggeel des fois dina le fait que xam ne da ngay taxaw rek mu dóor la bum nga carrément. 9h27 minutes, euh, on poursuit hein, toujours en musique avec. On change de tempo. 22 minutes, allez, euh, on va souhaiter euh, une bonne écoute à Mohamed El Bachir. Hello à toi, on n'oublie pas de saluer Gay RFM Talibé Bamba, ça c'est mon ami. Tchatouyayem Touré. Hello à toi, on n'oublie pas de dire un gros bonjour à Georgette Chavez. Elle, c'est une fidèle abonnée de Morning King. On n'oublie pas de saluer aussi Yvette Chavez. Xavier Coeur qui souhaite une bonne semaine ou un bon début de semaine à tous. Emily, euh, Jérôme Diouf est avec nous. On n'oublie pas de saluer aussi Angla, Anna, BFK. Allez, c'était à l'instant Youssoufa, touché, coulé. On poursuit avec euh, Yemi Alade. Elle cherche son Johnny. Moi aussi, je cherche mon Johnny. Mais Dauda, il cherche ça. Féminin de Johnny, ça donne quoi Jonette Maggie, hein? Tu cherches ta Maggie Mais ta Maggie, elle est à côté de toi Ah, elle est pas là. Est-ce que tu cherches pas plutôt Ali Matou mais en plus, tu es bien entouré. Hein? Maggie à gauche, Alimato à droite. Il y a juste quelqu'un qui gâche tout le décor, un certain Fall, mais bon, c'est pas grave quoi. Allez, on y va tout de suite avec Johnny Yemi Alade avec le titre Diplôme. Euh, elle a raison, hein. pendant 10 ans, tu dis à la go, je vais t'épouser, je vais t'épouser. Mais c'est quel genre d'études qui dure 10 ans où tu ne finis pas José, que vous retrouverez dans le nouvel album de Awadi, Made in Africa. Awadi, qui à partir de demain sera notre invité dans la matinale. Awadi, avec qui on décortiquera tout ce qui est euh, les 20 sons. Oui, parce qu'il y en a 20 dans l'album Made in Africa. On parlera des sons un par un. On n'en est pas encore là, hein. on va souhaiter une excellente écoute à tous ceux qui sont en ce moment du côté de Mariste. Gros bisous à Amichou, ça me fait plaisir de te voir connecté. Excellent début de semaine à toi. Dauda, on poursuit en musique à 9h50 minutes. Hein. Peut-être deux, trois chansons à écouter avant de se dire au revoir. 26 minutes. Voilà la fin de cette émission. En espérant que vous avez apprécié la programmation musicale, euh, vos principales rubriques. N'oubliez pas que nous avons euh, une adresse mail où vous pouvez tout <laughs> simplement. Maggie, je suis désolée, je suis dead. J'y arrive pas. Si je tiens pas ma tête, elle fait ça, elle tombe quoi. Allez, on se donne rendez-vous euh, demain. Ce sera pour une autre matinale. On sera ensemble jusqu'à mercredi. Jeudi, Bintrou prendra la relève jusqu'à vendredi. Dans un instant, le journal de la culture avec Kiki qui vous parlera cinéma. Elle vous parlera musique. Elle parlera même sport avec le Real de Madrid, à la Madrid Les jaloux vont mourir, ça c'est pas moi qui le dis. Hein. On se donne rendez-vous demain, comme je l'ai dit. On se quitte avec un magique système. Euh, gros bisous à tous. N'oubliez pas, vivez chaque jour bah, comme si c'était le dernier. Je suis partie.